forum du studio le forum du le forum du studio calam, le forum du studio forum du le forum forum du studio le forum forum le forum le forum Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet Kalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème 11e édition du SAFAM. Quelle retombée pour l'économie nationale et pour euh, les exposants. Le Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFAM, est une manifestation commerciale dédiée à l'artisanat nigérien en particulier et à l'artisanat africain en général. Elle a ainsi pour objectif de contribuer à l'autonomisation socio-économique des femmes et de créer un cadre de promotion de l'artisanat féminin. L'organisation de SAFAM constitue un grand défi et pour l'agence SAFAM femme pour mobiliser et accueillir pendant une douzaine de jours en Niamey les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, les vendeurs et acheteurs et les visiteurs pour des activités de réflexion et d'échanges commerciaux. Avec nos invités, nous allons faire un bilan organisationnel des éditions du SAFAM, les obstacles ou les difficultés et les solutions envisageables. Nous avons donc le plaisir de recevoir à cet effet Boubacar Hamadou Adamou, chef de division communication marketing à l'agence SAFAM, Boubacar Hamadou Adamou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Seydou Souley Mahamadou, président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Seydou Souley Mahamadou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Rabi Arzika, promotrice de la campagne Consommons local, consommons nigérien. Rabi Arzika, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Boubakara Hamadou Adamou, le Salon international de l'artisanat pour la femme a récemment organisé sa 11e édition. Quel bilan à son actif Bonsoir, euh, Monsieur Mokhtar. Euh, il est trop tôt de parler de bilan parce que nous avons déjà mis une équipe qui est chargée de faire l'évaluation de ce que les gens sont eu à avoir comme euh, gain au niveau du salon. Mais tout ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est vous dire que vraiment, Dieu merci, le salon s'est très bien passé. On a eu la présence de plus de 20 pays qui sont présents, 25 pays. Euh, nous avons aussi des fortes personnalités qui sont là, des ministres qui sont venus rehausser vraiment le salon et aussi vraiment les exposants venus un peu partout, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Ouest, de l'Afrique australe, de la Chine aussi. En tout cas, cette édition a convergé beaucoup de, personnes. Boubacar Hamadou Adamou, de vie des exposants rencontrés, il déplore l'exécuté des locaux et la cherté des stands. Comment l'expliquer par rapport à l'exécuté des locaux, dans un premier temps, Madame Rabeto Arzeka est là. Le SAFEM, ça a commencé avec eux. Ils savent qu'ils ont commencé le SAFEM en l'an 2000, c'était au musée national. L'espace était exclusif. C'est de là qu'ils ont eh, ramené ça au niveau du village artisanal, où ils ont fait jusqu'à plus de 6 euh, éditions. Donc euh, là aussi, au niveau de, du village artisanal de Wadata, c'était serré, il n'y avait pas assez de temps, la demande est forte. C'est pour cela qu'on a délocalisé. pour le palais de, 29 juillet. Et aujourd'hui aussi, on constate qu'au niveau du palais du 29 juillet aussi, le même problème se pose. Donc ça veut dire que l'engouement augmente ah, l'engouement augmente plus que le mot, parce que d'année en année, on a des pays qui, qui viennent. Cette année, on a reçu l'Égypte et c'est leur première participation. Il y en a beaucoup qui se sont annoncés. Et pour vous dire, euh, l'exécutif nous pose tellement de problèmes, d'autant plus que même au niveau, on n'a qu'un seul stand climatisé qui prend moins de 80 stands de 9 mètres carrés. La demande est tellement forte qu'on était obligé de ne pas prendre l'argent des uns et des autres. Parce qu'il y, a des, euh, y a des exposants VIP qui ne peuvent pas exposer à l'air ambiant. Ils ont des produits qui sont vraiment euh, périssables. Donc, il ne peut pas venir. On a été aussi à Haut, on a fait des prospections un peu partout, Fort de Marseille, tout ça là. Il y a des gens qui veulent venir, mais vivre vraiment l'exécuter des des locaux. On ne peut pas partir au-delà des 80 stands. Boubacar Hamadou Adamou, quelles sont les autres difficultés rencontrées ou constatées dans l'organisation de ce rendez-vous sous-régional La première des choses d'abord, c'est la subvention de l'État qui ne tombe à Donc ça, ça empathie beaucoup sur euh, la communication et autres. Parce qu'il faut communiquer bien avant l'événement. Certes, il y a des missions de mobilisation un peu partout, à l'intérieur du pays, à l'extérieur. Mais la communication là, doit être euh, proactive Avez-vous le sentiment d'être encouragé ou soutenu par le gouvernement Si, l'État fait tout son mieux mais aussi il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu notre recette certes, dans un premier temps en Mais ça a été annoncé. Non, ils nous ont même donné le site en 2013. C'est tout près de la police secours, vers Wadata. Mais malheureusement, ils ont repris ça. On a même fait une extension, une extension d'eau. On voulait juste aménager le, terrain, mais malheureusement, la police a, repris a repris le terrain. Ils nous ont promis un autre terrain jusqu'à présent, de 2013 à aujourd'hui, on attend encore. Mais on a l'espoir, d'autant plus que son Excellence, M. Issouf Mamadou, a, a l'inscrit dans son programme de renouvellement sens à acte 2. Rabia Arzika, le thème de l'édition 2019 est artisanat et entrepreneuriat des femmes, solutions innovantes pour l'emploi et le développement durable. Vous avez visité les stands. Avez-vous réellement constaté du progrès, de l'innovation dans la fabrication des produits Med et Niger Merci beaucoup, euh, Monsieur Mokhtar. Effectivement, euh, je pense que c'est la première fois que j'ai visiter, réellement visiter le SAFEM depuis 2013 euh, ou 2014, parce que j'ai été plusieurs fois. Donc j'ai essayé de visiter l'ensemble des compartiments pour e-, effectivement regarder les produits innovants, qu'est-ce qui a augmenté entre-temps, à tout égard, hein, au niveau même de l'émancipation de la femme, de l'épanouissement de, de, ces femmes qui produisent et puis euh, de la qualité des produits ou sa présentation. Et effectivement, pour la partie nigérienne, parce que le SAFEM, c'est beaucoup de pays, je m'intéresse à la partie nigérienne. Je trouve que effectivement, il y a des manières de faire nouvelles peut-être, ou des, produits nouveaux. Mais moi, je n'ai pas remarqué un changement véritable chez la femme chez les femmes qui produisent. C'est-à-dire, c'est les mêmes choses. Hein. C'est-à-dire, la dernière fois, on l'a mis dans un emballage vert, maintenant, on le met dans un emballage bleu et on pense qu'on a changé. Bon, peut-être, autrefois, tu vas dire qu'il n'y avait pas de conditionnement. Parce qu'il faut faire la part des choses entre les conditionnements, l'emballage, tout ça, c'est des, des, choses différentes. Peut-être ça va choquer hein, que moi je vais dire que c'est, j'ai pas vu de l'évolution parce que normalement il n'y a pas de l'innovation selon vous. moi je n'ai pas vu de l'innovation parce que c'est c'est les mêmes choses. les mêmes choses, copier-coller. Avant-hier, c'était Hajara qui le faisait, aujourd'hui, c'est Mariam qui le fait, et on pense que c'est nouveau parce que peut-être c'est présenté par une nouvelle personne. Et donc, euh, ce que je peux dire aujourd'hui, ce que j'ai trouvé innovant, c'est peut-être l'ouverture, l'ouverture aujourd'hui que les SAFEM a fait aux autres continents, parce que c'est très bien. Je pense que l'intégration des nouvelles pensées ou des, pays qui, qui, ont émergé économiquement en termes de production, notamment l'Égypte et puis euh, des pays asiatiques que j'ai vus, c'est très bien. Peut-être il faut d'abord encore que les, Nigériens comprennent, oui, si l'Égypte est là, je dois regarder qu'est-ce que l'Égypte a fait pour faire mieux. Si déjà on n'a pas préparé les gens à comprendre que oui, on n'a pas invité l'Égypte pour seulement qu'ils vendent ou l'Asie pour seulement qu'ils vendent, mais vous les Nigériens, vous devez voir comment ils font pour faire mieux qu'eux. Mais si c'est simplement penser, bon, moi j'ai fait pour moi, je reste. Il y en a depuis qu'ils sont sur leur stand, ils n'ont jamais bougé pour oui, aller oui, voir. dans ce sens, est-ce que ces anciens ne seront pas formés Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'aide et de formation ils en ont besoin, aussi, parce que et je pense que des, des actions de formation sont déployées sur, sur, le terrain. Bien avant les éditions SAFEM, ils font des voyages pour former les gens. Il faut les former à comment être dans une exposition. Il faut que la personne comprenne dans une exposition, c'est une école et qu'on apprend que pour que demain je ne reviens pas avec les mêmes manières de faire. Aussi, il y a des projets de développement qui agissent à l'intérieur du pays pour former, pour éduquer les femmes à venir aux expositions. Autre chose que, que j'ai déplorée, c'est de constater que toujours les gens sont de l'attente qu'on leur offre des stands. Tant qu'on va continuer à, à, subventionner des stands ou à donner des stands gratuits, parce que les gens pensent que c'est gratuit, en fait, on est à la case départ, parce que le produit a sa vraie valeur de prix dans une exposition quand toi-même tu as intégré le prix du stand. Mais si tu penses que je le vends à 1000 francs parce que moi je n'ai pas pris le stand en charge, je n'ai pas pris, ça veut dire que le jour où le projet qui t'a appuyé se retire, toi-même tu ne viens plus aux expositions. Pour moi, le SAFEM c'est une école ce n'est pas simplement une plateforme commerciale, c'est tout un programme de développement. C'est un, rendez-vous de donner et de, recevoir. Voilà. donc, euh, c'est ce que j'ai déploré et je pense que ça va s'améliorer. Rabia Ardika, comment faire face à l'offensive et à la pression de la concurrence des autres pays Les produits MED et Niger sont-ils euh, compétitifs Bon, les produits MED et Niger, peuvent être compétitifs si nous-mêmes on y croit. pour l'instant, <laughs> c'est. Pour l'instant, on parle pas de compétitivité parce que d'abord il faut connaître. C'est quand tu connais pas quelque chose, tu peux pas, tu l'as pas consommé, tu peux pas parler de compétitivité. Les gens achètent ce qu'ils voient. Les produits qu'on amène aux expositions, très souvent après l'expo, tu ne sais même pas là où les retrouver. Là, on est en train de se débattre pour faire des boutiques par-ci par-là, mais les boutiques seules même ne règlent pas le problème. Tu peux faire boutique, mais c'est que les gens n'ont même pas, ils préparent les produits pour venir aux expositions. C'est-à-dire c'est qu'ils vendent après, c'est fini. Demain, tu dis, je veux 50 de, ton produit que j'ai vu à l'exposition, mais tu vas traîner pour, pour l'avoir. Moi, j'en connais quelque chose parce que je gère les, les ventes après les foires. C'est que tu, tu dois courir derrière le producteur. Donc, tout ce travail est à faire pour que réellement cette campagne dont nous sommes en train de, de nous battre pour que ça soit, que ça soit une réalité. On ne peut pas simplement en vouloir aux Nigériens de ne pas consommer nigérien, mais les Nigériens ont besoin de la disponibilité physique du produit, ils ont besoin de la qualité du produit et de la sécurité du produit. Donc, ce sont les aspects sur lesquels je pense qu'ensemble avec le SAFEM, on va désormais travailler pour que nous qui sommes des vendeurs, qu'on puisse véritablement remonter les informations vers les producteurs pour qu'ils arrivent à aligner la qualité au prix. Jika, quel est le produit de la qualité vous a le plus marqué au SAFEM Moi, je, peux te dire honnêtement, je parle très sincèrement, le produit nigérien que j'ai beaucoup apprécié au SAFEM, c'est le fromage. C'est le fromage... Euh, qui a été produit au sein des ateliers donc euh, c'était très touchant de voir comment ça se fait parce que je, le mangeais sans savoir comment ça se fait. Et puis euh, vraiment la, présentation de ces femmes, elles m'ont rassurée. Et moi-même j'ai contribué à vendre beaucoup de ces fromages et j'ai acheté pour présenter euh, sur notre site et puis essayer d'en parler. J'avoue que actuellement on a beaucoup de demandes, mais peut-être elles vont aller se concentrer à la production pour pouvoir honorer ces engagements-là. Hormis ça, j'ai quand même vu des produits nouveaux, des produits amenés par les femmes. Ce sont les mêmes personnes qui viennent. Ce sont les mêmes personnes et puis c'est les mêmes produits. Maintenant, peut-être, euh, tu vas voir que autrefois c'était dans un plastique, maintenant c'est mieux présenté dans une enveloppe et puis ainsi de suite. Et nous, on, s'attend au mieux. Je pense que le devoir qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'injecter les moyens de la formation. Seydou Souley Mahamadou, l'une des difficultés des producteurs et productrices nigériens, c'est exactement la conservation, l'emballage et l'étiquetage. Comment l'expliquer alors, euh, comment l'expliquer C'est très simple. C'est juste parce que euh, dans ce domaine, notre pays n'a pas véritablement fait beaucoup d'efforts. Parce que euh, d'abord, c'est lié aussi au fait que notre tissu industriel a été toujours un tissu industriel faible. Alors, euh, si vous vous souvenez des échanges que nous avons eus dans ce même studio, nous avons parlé de la question de l'industrialisation du Niger, de la compétitivité. Pendant longtemps, notre pays, sa proximité avec le Nigeria, sa capacité à pouvoir importer, a fait en sorte que le Niger s'est placé dans une position de dépendance économique. Nous dépendons sur tous les plans des économies extérieures. Et donc, ça, ça fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez notre tissu économique, il est assez embryonnaire. Alors, quand un tissu économique est embryonnaire et que euh, l'essentiel de la production se fait de manière artisanale, la question des marchés, la question de la compétitivité ne se pose pas beaucoup à cet opérateur artisanal. Et c'est pour cela que, par exemple, euh, même les produits que nous avons aujourd'hui ont des difficultés de présentation. Et la difficulté de présentation vient aussi du fait que sur place, vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui une structure qui peut vous fournir de l'emballage de qualité. Allez-y à la zone industrielle juste là à côté. Regardez tous les industriels, tous les objets d'emballage qu'ils ont viennent de l'extérieur. Et une fois, j'étais même surpris, on m'a invité dans une unité industrielle. Même le bonnet que vous portez, c'est-à-dire, vous savez, quand vous venez dans une industrie, on vous met un bonnet, on vous met des, être euh, gants, des, gants, des, bavettes. tout ça est importé. Alors, c'est ça la réalité, malheureusement. On peut changer ça. Et aujourd'hui, euh, pour aller dans le sens de ce qu'Erabi dit, moi personnellement, quand je regarde la vitalité de la jeunesse nigérienne aujourd'hui, à tous les niveaux, il y a un certain éveil. Vous voyez les, femmes transformatrices. Les, les, jeunes entrepreneurs dans tous les domaines, nous voyons des jeunes qui essaient de faire. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut que nous acceptions tout ça et à ses débuts. Beaucoup de ces jeunes si on regarde, il y a 5-10 ans, n'existe pas sur le marché. Et donc, pour faire une activité industrielle, surtout dans un contexte où vous ne bénéficiez pas d'appui spécifique, ça peut prendre du temps. Maintenant, parmi ce que nous voyons, il y a des gens qui ont quand même un certain euh, niveau pour comprendre les enjeux liés à la concurrence, les enjeux liés euh, à la compétitivité, à la capacité, dont nous pensons que s'ils ont un appui, ça peut aller très vite. Il y a d'autres aussi, ce sont des producteurs saisonniers. Ceux-là, ont besoin d'accompagnement. Et je pense que c'est là le rôle des structures d'accompagnement aussi. Et les structures d'accompagnement, on en a de plus en plus. Rabi fait de l'accompagnement pour les produits made in Niger. Hmm? Nous avons des centres incubateurs. Bon, les centres incubateurs doivent euh, être, aussi réadaptés parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas diplômé, si vous n'êtes pas capable de lire et d'écrire, c'est difficile de bénéficier de l'accompagnement. Il faut peut-être qu'on réfléchisse à tout ça. Donc, globalement, la chérité des euh, inputs industrielle, c'est-à-dire des matières premières. La chérité de tous les outils que nous utilisons dans le processus industriel dans notre pays est intimement liée à la dépendance économique que notre pays a toujours cultivée. Et cette dépendance économique, elle est dans la mentalité du Nigérien, je pense. Il nous faut travailler très dur pour progressivement changer cette mentalité. Et c'est pour cela que aujourd'hui tous les efforts qui sont faits pour le Made in Niger ont du sens. Parce que tous les pays du monde se sont développés parce qu'ils ont compris l'importance de développer un marché intérieur. Et ce marché intérieur-là, pour le développer, si quelqu'un fait l'effort de produire 20 bouteilles de jus, mais si chaque fois qu'il les produisait, il avait un soutien ou des gens qui en achetaient, mais quand même, lui aussi, il va être ambitieux. Peut-être demain, il va produire 40, un autre jour 60, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un travail à faire et pour moi, ça, c'est une responsabilité collective. Le gouvernement est responsable de cette question. Le citoyen lui-même, est responsable de cette question. Le secteur privé, les acteurs d'encadrement sont responsables. Il faut que nous tous, on comprenne que nous avons une part à jouer dans le développement socio-économique du pays et que nous ne pouvons pas le faire en fermant les yeux sur le tissu économique qui est autour de nous. Seydou Souleim Mahamadou, autre grosse difficulté des artisans et autres producteurs, c'est l'écoulement des produits. Comment faire face à cette problématique Premièrement, de manière très factuelle, il faut produire de la qualité apprenons à nos artisans à faire de la qualité. Apprenons à nos artisans à avoir une culture marketing. Apprenons à nos artisans, parce que quand on dit artisan, il faut aussi que nos auditeurs comprennent. On parle de plus de 200 métiers. Plus de 208 métiers exactement. Le boucher est un artisan. Le sureur de chaussures est un artisan. La vendeuse de beignets est un artisan. Le taximan est un artisan. Le coiffeur est un artisan. Et ailleurs, on les appelle des auto-entrepreneurs. Et plus tard, ils peuvent aller au-delà de ce statut d'auto-entrepreneur. Et d'ailleurs, même dans notre système, l'OHADA, par exemple, donne énormément d'avantages à l'auto-entrepreneur. Certains avantages ne sont pas complètement répercutés dans la législation nigérienne ou appliqués. Mais si aujourd'hui toutes ces personnes ont compris que faire de la qualité, dans tout le sens du terme, ça peut aider à être plus compétitif, à vendre plus, ça va aller mieux. Et l'autre chose aussi, dans la qualité, ce que nous devrons comprendre, ce n'est pas seulement la qualité du produit physique c'est aussi la qualité de la gestion de la relation qu'il y a. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour moi, vous m'excuserez le terme, je ne le dis pas avec beaucoup de gaieté, le Niger est l'un des pires pays en matière de relations commerciales. Moi, personnellement, j'ai visité beaucoup de pays où vous partez, par exemple, dans des restaurants, vous partez, partout où vous partez, où vous devrez dépenser votre argent, vous êtes accueilli dans de très bonnes conditions. Vous êtes considéré, le client est considéré. Et le Niger est l'un des seuls pays où vous allez voir quelqu'un est en train de vendre et il est capable de parler mal à son client. Vous partez chez le boucher, il est capable de vous envoyer chercher de la monnaie. Ou bien vous dire même Mais on ne fait pas du commerce comme ça. Alors, ça mis bout en chaîne, du boucher du bord de la rue jusqu'au grand restaurant, jusqu'à la grande épicerie, jusqu'à la, euh, la supermarché. Au supermarché, vous pouvez trouver des comportements comme ça. Comment peut-on faire des affaires Comment peut-on fructifier des business lorsque on n'est pas censé de comprendre que nous sommes dans une logique d'offre et de demande Et que si vous êtes offreur, le demandeur, vous devrez bien le traiter. Et c'est pour ça que vous allez voir un Nigérien va faire un grand investissement à Niamey, on en a de plus en plus, par exemple un grand restaurant ou une grande boutique, il met de l'argent dedans, il prend des gens qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas été encadrés, il les met pour être les vendeurs. Deux jours plus tard, ou bien deux mois plus tard, vous revenez, vous trouvez que les affaires ne marchent pas parce que le premier client qui est venu, on l'a insulté, le deuxième, on lui a parlé mal, le troisième, on l'a triandé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le, commerce, le commercial qui est là-bas à la caisse, lui, il pense que ça marche, ça ne marche pas, il a son salaire il, il pense qu'il a son salaire. Sauf que quand ça ne marche pas, ce qui va se passer, c'est que non seulement son salaire ne va pas augmenter, mais mieux, un jour on va le virer. Et quand on va le virer, il va se retrouver au chômage, il ne se rend pas compte que c'est parce qu'il a insulté 5, 6, 7 clients qu'il est arrivé à ça. Ou bien qu'il a mal servi tout ce qu'il y a Mais là aussi, au fond, c'est aussi au patron qui investissent à l'artisan qui est le chef d'atelier de veiller à ce que si lui il est exigeant, les personnes qui travaillent pour lui aussi doivent être exigeants. Donc voilà la notion. Personnellement, moi je pense que cette culture de qualité globale, elle manque à beaucoup de nos commerces, elle manque à beaucoup de nos artisans et ça, ça crée des difficultés. Autrement, sur les produits, quelquefois, on voit des produits très très bien faits au Niger. Regardez par exemple l'artisanat qu'on a dans les cuirs et pots. C'est quelque chose, vous l'amenez partout au monde, les gens craquent pour ça. Regardez par exemple même euh, euh, les handicapés qui font aujourd'hui beaucoup de belles choses. Mais tout ça, la valorisation, le marketing, la prise en charge des clients, l'écoulement, les gens ne mettent pas suffisamment de sérieux sur tous ces volets. Et la fierté de faire. Ça aussi, ça nous manque souvent. Vous partez dans tous les pays qui nous entourent. Les gens sont fiers de ce qu'ils font. Les gens mettent de l'enthousiasme dans ce qu'ils font. Vous produisez un produit, vous mettez votre énergie pour que ce produit-là soit un très bon produit vous y croyez. Et puisque vous croyez, vous avez des énergies positives qui se détendent aussi sur les autres. Mais lorsque vous-même, vous, n'aimez pas votre travail, lorsque vous-même, vous pensez que je fais soudure métallique, mais non, j'envie plutôt mon cousin qui est euh, bureaucrate quelque part. Non, ça ne peut pas marcher. Quand vous faites un métier, il faut en être fier. Et il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut en être fier. Il faut défendre. Il faut être dans l'innovation, dans la créativité. Et partout où on est comme ça, les gens réussissent. Rabia Zika, avez-vous aujourd'hui le sentiment que les Nigériens consomment réellement local <laughs> Oui, franchement, j'ai ce sentiment après une année quand même euh, en évaluant la campagne consommons nigérien et consommons nigérien, on s'est rendu compte qu'il y a eu un grand changement dans le comportement. Aujourd'hui, au moins, même si la personne ne passe pas à l'acte d'acheter, au moins elle a pris conscience que je dois acheter. C'est déjà très bien. Moi, sincèrement, je, suis satisfaite de, de l'attitude des Nigériens aujourd'hui, en tout cas à plusieurs niveaux, parce qu'on ne parle pas du Nigérien lambda. Le Nigérien lambda, lui, il consomme Nigérien de toute façon, ou il consomme ce qu'on lui présente. Maintenant, notre cible, c'est qui se sont laissés douce C'est vraiment cette euh, nouvelle génération émergente qui, a quand même les moyens d'investir. Et auprès de cette cible-là, on a constaté que ce sont des personnes très engagées. Aujourd'hui, euh, cette cible est déterminée à ce que le Niger progresse. On sent qu'ils sont capables d'acheter un produit, même s'il n'est pas bien fait juste parce que c'est nigérien, c'est cette fierté que, j'ai dégagée, en tout cas auprès des personnes que j'ai approchées pour comprendre leur euh, intention d'achat. Et au niveau institutionnel, c'est là le, plus important. Il faut que le ministre des Finances se dise je ne peux pas prendre l'impôt des Nigériens et l'impôt de, de, ces femmes qui travaillent tous les jours, qui payent quand même l'impôt, même si c'est 100 francs, 200 francs qui me fera donne par jour, c'est quand même l'argent. Et on prend cet argent et on finance d'autres économies. Parce que si aujourd'hui on ne se dit pas qu'on a quand même un ingénieur nigérien qui a démarré l'insecticide, qui peut faire mieux si on achète avec lui. Si simplement demain, le ministère des Finances dit tout l'insecticide que j'achète dans ce ministère pendant une année, j'achète l'insecticide produit au Niger. Mais le gars est obligé d'aller se concentrer et produire mieux. Et d'avoir même des employés, des ingénieurs qui vont le rejoindre pour travailler dans cette entreprise. Pour qu'elle ne soit pas auto-emploi. Parce que là, on crée que de l'auto-emploi. Et c'est eux qui doivent Donc regarder. Vous, vous exhortez les autorités à donner le meilleur exemple. C'est les achats institutionnels. Aujourd'hui, toute notre bataille, c'est amener les décideurs à acheter nigérien. Parce que c'est ça la, le vrai choix économique. En fait, c'est comme si on travaille pour les autres. Parce que nous, on collecte l'impôt, mais c'est pour payer des factures des commerçants qui importent des produits concurrents à nos produits. Pourtant, si on achetait simplement nos produits, à la troisième fois qu'on va acheter, ce serait des produits parfaits. Ces pays auprès desquels on achète les produits, eux-mêmes n'ont pas commencé grand. Ils ont commencé petit. Et c'est parce qu'on croyait en eux. On achetait malgré que c'est pas bien fait, jusqu'à ce que c'est devenu bien fait. Tout à l'heure, c'est appris l'exemple des femmes handicapées. Ce n'est pas simplement de dire, bon, vous ne commandez plus auprès des feux je les virer. Mais si des des partenaires ont fait le choix d'encadrer ces femmes. à De les appuyer. Aujourd'hui, ces femmes font des savons de nettoyage des maisons. Mais écoute, si un ministère se décide, ne serait-ce que le ministère de la promotion de la femme dit, moi, le, produit de nettoyage qu'on va acheter dans mon ministère, ce serait pour les femmes handicapées. Mais ça va progresser le ministère. est-ce que vous avez mené des campagnes de plaidoyer dans ce sens C'est ça qu'on est en train de mettre en place. Justement, c'est quand on avait fait ce constat qu'on a essayé maintenant de structurer notre démarche en, mettant en place un consortium, un consortium de plusieurs euh, personnes engagées. C'est en fait partie. Parce que le le maire du c'était avec lui qu'on a démarré. Et toutes les personnes qu'on a constatées au fil de ces deux ans qui sont véritablement engagés, on les a mobilisés pour mettre en place ce consortium qui va désormais faire le plaidoyer institutionnel et même au niveau des consommateurs euh, privés. Et, je pense que d'ici le terme de la campagne qu'on prévoit en 2021, on va constater un changement évidemment. Rabia Zika, quel est le secteur euh, où le Nigérien consomme réellement nigérien <laughs> C'est les céréales. riz du Niger Oui. le mil, euh, le, le on pense que c'est les cultivateurs, ça c'est le culture pour manger. Mais maintenant, il faut qu'on voit plus grand plus grand que ça. Donc, euh, c'est le, le céréal que les Nigériens consomment, le riz du Niger. Aujourd'hui, je pense, avec l'engagement du chef de l'État de dire en 2023, zéro importation, ça veut dire que chaque Nigérien qui portait des lunettes en bois doit les enlever et se dire, en fait, c'est pas simplement Issouf qui l'a dit, mais ça m'engage ça m'engage en commençant dès aujourd'hui à savoir où je trouverai mon riz en 2023. Ce n'est pas en 2023 quand tu vas te rendre compte que le riz eh, n'est pas devant ta porte, tu vas commencer par critiquer. Il faut qu'on aide à ce que ça soit. La volonté politique doit être soutenue par, par chaque. Nous, ce qu'on est en train de faire en étant même ici, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. On peut se comporter comme n'importe quel Nigérien, aller se coucher chez soi ou chercher mon argent. Mais moi, j'ai dit, notre fierté, c'est quand le Niger progresse de manière globale. Et si aujourd'hui, c'est de moi, on perd beaucoup de temps. On prend beaucoup de temps pour, pour ce, ce travail. Moi, je vous assure, toute la campagne Consumo Nigérien, il n'y a pas une activité où j'ai payé Business Challenge, où j'ai payé Kalangu. Pourtant, tout le temps, dès qu'on fait quelque chose, vous nous avez. Je pense que c'est ça les efforts que chaque Nigérien est en train de mettre de, de son côté. Chacun dans ce qu'il peut faire, il met ça à la disposition de la campagne. Et un jour, c'est la prospérité de nos enfants. De nos enfants, il faut que chacun s'engage. Donc moi, j'insiste euh, par rapport à votre question sur cet engagement de 2023 pour le riz. Il faut simplement que le président se rende compte que ce n'est pas simplement le riz, mais c'est beaucoup d'autres produits derrière le riz qu'on n'importera plus jamais. Boubacar Hamadou Adamou, en visite sur le site euh, sa femme, le Premier ministre Brigitte Raffini s'est dit impressionné par euh, ce génie de la femme artisane qui s'améliore au fil des années. Et chaque année, il y a de nouveaux produits et des produits de qualité. Il y a de quoi être fier de l'artisanat féminin au Niger. Ce sont là les propos euh, du Premier ministre Brigitte Raffini. Comment améliorer davantage selon vous C'est le renforcement des capacités de ces femmes artisanes. Le renforcement des capacités mhm. techniques, entrepreneuriales et commerciales des femmes Artisan, Parce que chez nous, nous l'avons déjà compris depuis longtemps. C'est pour cela qu'au niveau de SAFEM, on a deux volets. On a le volet renforcement des capacités techniques, entrepreneuriales et commerciales et de l'autre côté, l'organisation du salon. Et avec euh, l'aide de nos partenaires, nous formons les femmes artisanes dans plusieurs euh, métiers, à savoir euh, vannerie, poterie, agroalimentaire, broderie, tout ça. Donc nous accompagnons les femmes artisanes à ce qu'elles puissent produire des produits compétitifs au niveau national mais aussi international. Comment ça va se faire euh, concrètement sur le terrain Sur le terrain, c'est juste en euh, fait des missions de campagnonnage artisanal. Nous faisons venir de l'Asie un peu partout, Madagascar, France, Algérie, Côte d'Ivoire, des artisans sans frontières qui viennent appuyer ceux qui sont ici. Certes, nos artisans et artisans ont l'espérance, mais ils ont besoin aussi d'un accompagnement technique, de design, tout ça là. Donc, euh, ce que nous demandons de plus, c'est qu'il est beaucoup plus de budget. Parce qu'on ne peut pas former sans outiller. Ces femmes-là, à l'issue de chaque formation, elles doivent être accompagnées par des petits gestes, ne serait-ce que mettre à leur disposition des outils de travail pour qu'elles puissent s'en sortir et aussi gagner beaucoup de temps. Parce qu'en milieu eh, rural, c'est le temps qui cause beaucoup de, de problèmes aux femmes. Ces femmes-là doivent partir d'abord pour les travaux champêtres, revenir aussi pour les repas quotidiens, tout ça, là, c'est pas facile. Pour que ces femmes-là puissent dégager un peu de temps pour leur activité et de l'artisanat, elles doivent avoir euh, beaucoup d'appui au niveau de l'État même. Parce que nous, au niveau de SAFEM, notre budget ne permet pas de faire beaucoup. On a vraiment de l'ambition. On est vraiment la structure clé du développement de l'artisanat féminin au Niger. Mais nous avons des obstacles. Donc, euh, nous demandons à ce que l'État puisse mettre beaucoup plus d'accent sur le budget pour qu'on puisse. Parce que c'est surtout, surtout les formations. Hein. L'organisation du salon, c'est juste 10 jours. Boubacar Hamadou Adamou, dans quel secteur vous, vous avez remarqué du progrès dans l'organisation du SAFOM et la qualité des produits exposés La qualité, déjà au niveau des beaucoup de produits. Comme, comme euh, là y allait dire, au niveau de maroquinerie, bijiru, tout ça, on n'a pas de problème. Au niveau de l'agroalimentaire, Dieu merci. Parce que vous avez constaté au niveau de cette 11e édition de SAFIEM, nous avons fait ce qu'on appelle les ateliers vivants pour juste essayer de. C'est une formation de masse à ces femmes-là qui n'ont jamais eu, la chance de voir comment préparer des chicots fromage, tout ça là, de voir ça en un euh, record et sur le site même. Voyez-vous, donc euh, on a beaucoup plus euh, l'agroalimentaire qui se développe. Parce que la première des choses, au Niger, les produits les plus consommés sont les, céréales. Donc on doit mettre en place beaucoup de, trucs là par rapport à l'agroalimentaire. Parce que la première des choses, c'est d'atteindre le fin zéro. Donc en ce sens, nous demandons à ce que l'État et les partenaires puissent mettre beaucoup plus l'accent sur vraiment la qualité de ces produits. Et qui dit qualité dit aussi formation. L'objectif fin zéro, l'agence afin peut relever les défis, peut contribuer. Oui, on peut contribuer parce que maintenant, l'excédent L'accident que les agriculteurs ont, on peut toutefois transformer ça. Si on transforme, c'est déjà quelque chose qu'on peut garder. Donc, euh, de là, on peut se dire qu'on peut faire quelque chose. de Souley Mahamadou, c'est à Niamey que l'accord historique pour une zone de libre-échange continentale africaine s'est concrétisé au cours du 33e sommet de l'Union africaine. Les 55 pays liés par cet accord créeront ainsi une zone de libre de 1,3 milliard d'habitants et dotée d'un produit produit intérieur brut de plus de 2500 milliards de dollars, le Niger est-il dans la dynamique Comment le Niger peut-il tirer un grand profit de la ZLECAF oui, Mokhtar, c'est vrai que le Niger a joué un rôle très important. Notre président de la République a fait un travail formidable qui a fait que sur le plan diplomatique, politique de la, conduite de la ZLECAF, toute l'Afrique et peut-être même le monde entier a reconnu les qualités de leadership hein, de, de, notre président. Maintenant, pour la mise en œuvre de la ZLECAF et le profit que notre pays va tirer, là, je pense que ça va nous demander énormément de travail. Euh, j'ai eu l'honneur d'être euh, au siège de l'Union africaine le mois dernier et d'y être pendant une dizaine de jours, justement, euh, où nous avons discuté avec beaucoup d'experts sur les conditions de la mise en, œuvre de la ZLECAF. Et quand je vois les progrès qui sont en train d'être réalisés dans des autres pays, et quand je vois même comment est-ce que l'Union africaine est en train de s'organiser pour accompagner les États, pour qu'ils mettent en œuvre la ZLECAF, je me dis que le Niger a une grande carte à jouer, mais à une condition et cette condition, elle est difficile à relever. C'est laquelle C'est de ne pas dormir. Mais pour l'instant, la plupart d'entre nous dorment. C'est ça la vérité. Et ça à tous les niveaux. Je vous prends juste un exemple, une des complexités. Vous savez que tout le travail qui est en train d'être fait autour de la ZNECAF, il est fait en anglais. Les textes sont en anglais, les mécanismes d'accompagnement sont en anglais, ainsi de suite. Et la plupart de nos décideurs ne parlent pas anglais. Quand vous allez partir dans des grands sommets comme ça, où les décisions se prennent en anglais et que vous, il vous faut un traducteur et que le, texte qui a été fait, le soir, vous ne prenez pas le temps de le lire parce que c'est en anglais, ça vous décourage. Moi, je pense que si on veut vraiment dire les choses, nous sommes un pays qui a des paradoxes. Les paradoxes, c'est quoi Voilà un pays qui a eu l'honneur de diriger tout ça et qui a réussi. Mais en même temps, ce pays-là sait que d'ici juillet 2020, beaucoup d'accords vont être faits où l'économie sera complètement libéralisée. Certains secteurs ne vont pas être touchés, mais la plupart des secteurs vont être touchés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Moi, en tout cas, je me dis que j'aurais pu m'attendre à tous les jours qu'il y ait des discussions sur les questions industrielles. Tous les jours que Dieu fait qu'on voit les ministres, qu'on voit le, la chambre de commerce, qu'on voit tous les acteurs en train de dire voilà, voilà comment on doit s'en sortir. Ça, ce n'est pas encore en train d'être fait. J'aimerais voir tous les jours comment est-ce qu'on s'est dit, hey, quels sont nos objectifs, que tous les Nigériens connaissent nos objectifs en matière de développement industriel, nos objectifs en matière de relance de l'économie nationale, nos objectifs en matière de compétitivité. Ça aussi, je pense que l'effort comparé à ce qui se passe dans le reste de l'Afrique, il est timide. Donc, encore une fois, moi je pense que euh, ce que je dis là, c'est juste de dire la réalité, c'est que les autres pays, parmi les 55 là, il y en a qui bougent très vite. Il y en a qui sont déjà très très forts. Et ces Vous allusion au Nigeria Au Nigeria, à l'Afrique du Sud, les pays du Maghreb, à l'Éthiopie, ainsi de suite. Il y a des pays qui sont déjà très, très, avancés. Le Rwanda, ainsi de suite. Nous, le Niger, au niveau du leadership, notre président a montré qu'il peut, par rapport à ses pairs, quand il est là, il s'impose il sait faire. Mais son pays, pour l'instant, le dynamisme. Et ça, malheureusement, je pense que ce n'est pas une baguette magique. Il faudrait que, aujourd'hui, au niveau des citoyens, qu'il y ait beaucoup d'actions. Vous savez, euh, je prends juste un exemple. Le Centre du commerce international accompagne les différents États à mettre en place leurs outils de l'ASLECAF. L'Organisation mondiale du commerce accompagne les États. Moi, je suis dans l'information économique. C'est seulement quand j'étais au sommet de l'Union africaine que j'ai compris qu'ils ont des ponts focaux au Niger avec lesquels ils travaillent. Et depuis des années. Depuis des années. Pourtant, je pense que je ne suis pas le moins informé des Nigériens quand même. Et même pour être en contact avec eux, c'est des gens de Genève qui m'écrivent pour me dire nous, on vous a identifié, on a besoin de travailler avec vous parce qu'on sait que vous êtes un acteur de l'information économique. Et après, ils me disent, mais why don't you have contact with our local point Je dis, mais <laughs> qui sont vos local points Moi, je ne les connais pas. Il dit un tel, un tel, un tel. Mais nous travaillons depuis des années avec le ministère du Commerce, avec ceci, avec cela. Il dit bon, moi, je cherche l'information, j'essaie d'aller, mais je ne les connais pas. Et c'est là que même souvent ils me disent oui, bon, on se contraste que c'est vrai au Niger, on a des difficultés souvent à communiquer, ou certaines opportunités qu'ils arrivent à déployer ailleurs, ils ne les déploient pas au Niger. Et on se demande pourquoi. Parce que tout simplement, souvent en face, l'interlocuteur qu'il a, ou bien le mécanisme qu'il y a, n'est pas opérant. Vous voyez Donc moi, franchement, côté mise en œuvre, je crains fort qu'on ne puisse pas tomber dans ce qui nous arrive souvent en tant que Nigérien, c'est-à-dire savoir très bien concevoir les choses, bien les réfléchir et les autres les mettre en œuvre. Moi, c'est le risque, mais je souhaite que ça ne nous arrive pas. Et c'est pour cela que ce que je vous dis là, c'est pratiquement un cri de cœur. Zika, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour davantage innover <laughs> Pour davantage innover, moi je, je répondis juste ce que c'est de dire parce que tout part de là part, aujourd'hui, on ne peut plus raisonner en termes de Niger tout simplement. On est obligé, on s'est engagé, on est, on est même à l'avant-garde de l'ASLECAF. Tout notre raisonnement doit aller autour de ça parce que dans, six mois, c'est ce qui va être. Et déjà, on, on le remarque. Aujourd'hui, on a ouvert les portes, mais c'est les autres qui viennent chez nous et nous dominent sur tous les plans. Si vous partez dans une entreprise, vous avez plus de ressources humaines d'autres pays. Et les gens sont plus à l'aise avec les ressources humaines d'autres pays qu'avec vos ressources humaines ici. Parce que c'est une question de ressources humaines. Et au Niger, on n'a pas de ressources humaines engagées, de ressources humaines de qualité. Et puis, cette fabrication qu'on est en train de faire de l'entrepreneuriat des jeunes, où on veut pousser quelqu'un dans quelque chose même qu'il n'a pas vocation ou qu'il n'est pas du tout intéressé, il le fait simplement parce qu'il n'a pas d'emploi. Mais on va où Parce que même si on crée des unités industrielles, où on veut que cet artisanat progresse pour devenir des industries, mais comment Quels sont les hommes pour que ces industries fonctionnent. Quand on dit à chacun, tu peux être ton auto-employeur, toi-même, moi, je te donne l'argent. L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'argent, c'est la volonté tant que l'État, l'État va continuer à mettre sa main dans cette histoire d'entrepreneuriat en positionnant l'entrepreneuriat comme une porte de sortie du chômage. Parce que l'État règle ses problèmes de chômage. Mais toi qui as décidé de devenir entrepreneur, quel est ton objectif à toi C'est ce que chaque Nigérien doit se poser. Ce n'est pas parce qu'un projet politique a dit moi je vais pousser les gens pour devenir des entrepreneurs que tu vas devenir simplement un entrepreneur. Juste, et c'est ça qui est en train de, de faire développer la corruption, de développer tous ces mots-là qui sont là autour de la mise en œuvre de la ZLECAF. Moi, je, je ne suis pas pessimiste. Je fais partie aujourd'hui des Nigériens qui sont engagés. Moi, je ne suis pas fonctionnaire de l'État. Tout ce que je fais, je ne suis pas un employé de l'État. D'ailleurs, même ce que je fais, souvent, je suis combattu par l'État. Mais c'est parce que je crois en ce que je fais que je, je, je persiste. Il faut des milliers de Nigériens comme moi pour que ZLECAF soit une réalité. Ce n'est pas une affaire du ministère du Commerce, ce n'est pas une affaire du ministère de l'Agriculture, c'est une affaire de tous les Nigériens. Et il faut que ça soit positionné comme ça. Si simplement ce sont ces cadres, le ministère du Commerce n'a pas de cadre. Donc comment il va mettre Il faut organiser le secteur privé de telle sorte qu'il soit les armures qui vont porter ZLECAF. Il faut que chaque Nigérien, chaque entreprise soit considérée dans ce qu'elle fait et être accompagnée. Normalement, les structures de l'État sont des prestataires. Un ministère du Commerce, c'est un ministère de station pour accompagner ce que c'est en train de faire. S'il a été identifié, c'est parce qu'il a existé, c'est évident. Mais maintenant, il faut lui donner de la visibilité, lui permettre justement de déployer des grands ensembles. Aujourd'hui, s'il gagne une expertise auprès de, l'Union africaine, auprès de l'Organisation mondiale du commerce, c'est le Niger qui perce. Et il faut qu'on voit chaque Nigérien engagé comme ça pour qu'on l'accompagne à devenir plus grand, pour que demain, il assure la communication du Rwanda, demain, il assure la communication de l'Afrique du Sud. C'est ce qu'on doit être, mais c'est pas rédiger un gros document tout le monde applaudit, oui, le Niger a fait la Zélicaf, Ce n'est pas ça. C'est justement ce SAFEM qu'il faut renforcer. SAFEM même, ce n'est pas une histoire de regrouper chaque année des personnes. C'est quels sont les produits qui ont émergé comment les sortir pour en faire un incubateur qui va générer des industries et qui vont grandir. Mais ce n'est pas tous les jours ouvrir des concours, chacun va élever sa poudre et on vient, on dit tu as eu prix et puis c'est fini tous ces produits primés. Moi, mon premier boulot dans ma vie, c'est de l'artisanat. Tous les produits qui ont été primés. Partout où les Nigériens partent, nous sommes premiers. On gagne tous les prix. Mais on a combien d'usines Entre-temps, chaque jour, c'est ce que je dis. Oui, depuis 8 ans qu'il se fait au, est eh, au pouvoir, combien d'industries sont nées c'est ça sa préoccupation, parce que le premier discours de Youssouf en devenant président, il a dit bien pour l'artisanat, je, je veux faire en sorte que notre artisanat devienne des industries. Mais est-ce qu'il s'est une fois posé la question qu'on lui raconte que des histoires sur ses papiers, de rapports qu'on lui fait, qu'il n'y a pas d'industrie C'est ça qu'il doit savoir. Je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est d'ouvrir les yeux du président, qu'il comprenne que ces paperasses qu'on lui amène de doing business, où il perd son temps, il doit descendre, aller regarder ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas d'industrie et il n'y aura pas de développement tant que nos produits sont toujours avec les femmes, femmes transformatrices, femmes. Mais alors, c'est ça qui va faire développer le Niger, où on reste dernier en 2019. Moi, je pense qu'il faut que les gens autour du président, je dirais, je connais comment ça fonctionne autour du président c'est le président même qui doit descendre regarder les choses par lui-même. Parce que chacun va chercher à protéger son poste, son emploi. Le ministre va essayer de couvrir certaines choses parce qu'il veut qu'on dise qu'il a fait quelque chose. Mais les chiffres qu'on donne au président ne sont pas vrais. Le président doit visiter simplement la zone industrielle un beau matin et se rendre compte qu'il n'a rien fait. C'est ça, en fait, la vraie vérité. C'est quand il part, c'est vrai, aujourd'hui, le président fait a travail en termes d'infrastructure. On a les routes à Niamey, on a tout. C'est très bien. Ça peut réveiller peut-être un autre secteur. Mais maintenant, le vrai secteur, dominant qui va lui caser les jeunes, qui va faire qu'on parle du Niger, parce que un produit peut faire parler d'un pays j'ai une parenthèse. Avant-hier, je faisais une salade et tout de suite, j'ai pris la crème de la salade. Moi, j'aime pas fait attention. C'est mon fils qui regardait ces produits. Où il dit, maman, regarde, c'est made et Mali. J'étais très contente, pourtant on l'a acheté dans une alimentation nigérienne. C'est ce rêve qu'on a pour le Niger, qu'on retrouve des produits nigériens dans des magasins de la sous-région Made in Niger. C'est ça le rêve. Et ce qui m'étonne, Mokhtar, c'est que ça fait partie du programme politique du président. Moi, je, suis pas, je ne suis pas dans l'exécution du programme politique du président. C'est de manière volontariste que j'ai dit au directeur de cabinet du président, rendez-vous compte que vous n'avez aucune industrie. Vous avez que des projets en herbe. Chacun est là, il pense qu'il veut vous faire plaisir, vous contenter avec... On a eu innovant, on a eu prix innovant. Un prix innovant, c'est le jour où l'entreprise est là, où le produit est visible et que beaucoup de Nigériens l'achètent et que ça aille au-delà du Niger. Ce serait ça la fierté du président de la République. Rapidement, c'est le soleil. Rapidement. Non, en fait, ce que je voulais ajouter, effectivement, aujourd'hui, je pense que nous tous, nous devons rêver grand du Niger. Et ces rêves, pour moi, honnêtement, ce n'est pas seulement un président de la République qui doit le porter. Il faut qu'on permette, comme dit Rabi, à tous les Nigériens de rêver. Tous les pays, c'est quoi leur force Tout à l'heure, ils parlent d'accompagnement. Et nous, au Niger, chaque fois, on pense que c'est quelqu'un qui va venir d'ailleurs pour nous accompagner. Ça, c'est déjà une sous-estimation de soi. Ailleurs, les gens, ils sont convaincus qu'ils ont le talent de réussir et d'aller même vendre leur talent ailleurs. Et le mécanisme interne dans lequel il est est convaincu aussi que c'est comme ça que ça doit se faire. Pourquoi chaque fois qu'il y a une consultation, une formation, on nous amène un Sénégalais Excusez-moi du terme, mais je n'ai rien contre. Hmm? Pour moi, c'est bien qu'il se développe, c'est une compétition. Mais le Nigérien peut se dire aussi, nous aussi, on a la matière grise, on a l'expertise aujourd'hui de pouvoir vendre nos compétences ailleurs, de vendre nos produits ailleurs. Vous savez, quand je suis parti à l'Union africaine, deux choses m'ont fait de la fierté. C'est quand je vois sur le mur de l'Union africaine, je vois un Nigérien qui a dirigé l'Union africaine, Il au Maroc, Sa photo, juste à côté, je vois une dame, Madame Barkire, je ne la connais pas. Et après, Jory. Ça, là, est-ce qu'on a besoin d'être de la famille de Jory pour en être fier On a juste besoin d'être Nigérien. Parce qu'on est Nigérien, on est fier. Et si on a un million de Nigériens comme ça, si on a un potentiel énorme comme ça. C'est-à-dire que ce dont nous parlons là, ça va au-delà d'un régime, ça va au-delà d'un parti, ça va au-delà d'un président. C'est un rêve collectif nigérien qu'il nous faut. Si le Niger est comme ça, nous allons tous être contents parce que Mokhtar, vous et moi, nous voulons vieillir dans ce pays et mieux vaut vieillir dans un bon environnement. Et nous avons le devoir de travailler pour ça. L'artisanat nigérien constitue l'une des mamelles de l'économie nationale. C'est un secteur qui contribue à hauteur de 25% au PIB du Niger et s'impose comme le deuxième pourvoyeur d'emplois après l'agriculture. Le SAFAM permet donc à la femme d'améliorer sa condition de vie et de contribuer au développement économique du pays et à la lutte contre la pauvreté. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de rester recevoir Boubacar Hamadou Adamou, chef de division communication marketing à l'agence SAFAM, Seydou Souley Mahamadou, président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs, et Rabi Arzika, promotrice de la campagne Consommons local, consommons nigérien. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Istudio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.